la Fondation vient nous donner 100 concentrateurs d'oxygène. Nous avons invité les structures devant l'utiliser, notamment des hôpitaux, mais aussi des centres de santé, parce que nous savons que les zones tampons qui ont besoin de soutien en oxygène sont surtout au niveau des centres de santé. Nous les avons conviés à venir réceptionner ces concentrateurs d'oxygène. Ils sont venus effectivement massivement et euh, je suis persuadé que dès demain, parce que c'est l'engagement et l'instruction qui a été donnée, c'est que dès demain, qu'on puisse utiliser ces concentrateurs d'oxygène au niveau des structures de santé. Nous leur avons aussi euh, demandé de prendre bon soin de ces euh, concentrateurs en termes d'entretien et en termes d'utilisation rationnelle optimale. Et de ce point de vue-là, l'engagement a été pris par les utilisateurs futurs de ces concentrateurs qui nous disent qu'ils vont l'utiliser dans les meilleures conditions pour que la Fondation, à l'évaluation, sentent que ce matériel qu'on a donné au système de santé non seulement a été utile, mais bien utilisé. Et j'aimerais donc finir encore une fois pour remercier Madame la Première Dame pour euh, ce geste très très significatif euh, qu'elle vient de faire qu'elle vient de faire pour euh, le système de santé du Sénégal. Et cela n'est pas une première, je le disais. Il y a beaucoup d'équipements de production individuelle que la Fondation nous a donné, beaucoup d'actions de terrain que la Fondation fait pour les soins de santé et pour le système de santé. C'est l'occasion, encore une fois, de remercier la Première Dame et de réitérer notre engagement à collaborer avec la Fondation dans l'intérêt des populations sénégalaises. Ah non, non, non, vous avez, comme vous avez pu le constater, le centre de santé de Thiès a été servi, le centre de santé de Thiès, euh, aussitôt que la Fondation de Sénégal a reçu le don des mains du directeur général des ICS, sur place même. La fondation, à son tour, a transmis le don au ministère de la Santé et notamment des structures de santé qui ont été identifiées en, avant, en amont comme étant euh, dans une situation de besoin de ce genre de matériel qui ont donc été invités tey ñëw nañ pour euh, may système de santé bi téeméeru concentrateur d'oxygène muy loo xamante ne système bi soxla nañ ko parce que bu ngeen déggee bu baax temps yi waxu oxygène bëri woon na si réew mi euh, musuñu am sax problème rupture mais dafa fekk rek que ne situation mel ni bu amee ñëw jàppale ñu gën ñu doli dafa baax motax ma ngi leen di remercier bu baax euh ñu jox ko nag ñoo xam ne soxla nañ ko bu ngeen seetloo fii médecin chef bu district yépp ñu ngi fi jot ay concentrateur d'oxygène pour avoir beaucoup de centre de santé yi ak si hôpitaux yo xamante maintenant, peut-être manque nañ ligne d'oxygène bon dëkk ñi ngi remercier bu baax première dame li nak du parce que fondation Civile de Sénégal depuis xeexu mbass mi commencé ba légui ñi ngi ci côté système de santé di len jàppale di len accompagner tay bu ñu indee téeméeru concentrateur d'oxygène jox ñuko pour que ñu jàppale système de santé bi loolu ñu koy rafetlu may demander nag médecin chef de district yi jot ñu taxaw pour que dès demain ñu mën ko utiliser pour que patients yi mën ko jëriñoo loolu am na solo lool bu ko defee nag top to ko bu baax tam parce que ku la jappalé da ngay fexé ba li la jappalé nga mën ko top to bu baax ko que bu ñëwé mu xamné ne joxé won joxe kat am na njëriñ moom nag maa ngi remercier encore une fois pour terminer madame la première dame si euh, taxawayam parce que fondation service le Sénégal nek na fondation bo xamante ne ñi muy jëkk jappalé moy système de santé bon système de santé ñing koy remercier di wone disponibilité continuer liguey bi ak fondation pour que population sénégalaise yi man toujours am wér yaram bu baax merci beaucoup